sauraron shirin mu fada barkan da da sake da ku wannan shirin naku na mu fada wanda ni gabatar a yau yau a cikin shirin namu nous allons parler de l'addiction des jeunes au téléphone portable et nous allons essayer de voir pourquoi. À l'heure du smartphone, beaucoup de jeunes citadins surtout n'arrivent pas à s'en passer. Impossible de faire 24 heures ou même moins sans son téléphone. Une vraie drogue chez beaucoup. À Niger, bon samu an yi wani cikakken bincike ba, amma a kasar France selon une étude de l'Open l'Observatoire territoire de la parentalité de l'éducation numérique, 76% des adolescents qui possèdent un smartphone déclarent être angoissés à l'idée de les perdre. A ma dai ina ji dukkan warja ce. To wai mi ke kawo wannan abu me yasa ne matasa ke makalewa su. Mi hakan ke haifar? Wai ma ita wannan salular ta ko kuma ta wanne ne rinjayi wani? Sai kun biyo hirar mu ta yau a cikin shirin mu na mu hada fada wato tusa la fada des change de la musique et des chroniques le tout en 35 minutes. sauraron mu yau mun yada zango ne a filin shakatawar nan da ke kusan Niger Post wato plus wifi plus anuntab domin tattaunawa akan jigon mu ne wato l'addiction des jeunes au téléphone portable et de trouver le pourquoi. Yau muna tare da manyan baki a cikin fadar tamu. On va vous laisser la parole, vous allez vous présenter chacun. Bonjour d'abord. Bonjour. Moi c'est Ramatoula Lansane, je suis étudiante en psychologie à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Bonjour à tous et je suis consultant en digital. Et bonjour à tous, donc moi c'est Omar Samna et je suis élève à l'ENA en administration générale au niveau 3. Ok, bienvenue dans Tous ça la Fada, amma kafin mu tsunduma a cikin shirin namu, bari mu saurari wa'annan rayuka wa'anda Firda Mamman ta muna a Vox Pop. Kamar salula ta zama mana kamar makami babba wanda mutum idan ba karshe ko in ce cikin harakar karatunka in ba ka da ita sai ka je kamar ma kamar kowa yana iya zama kamar gaba gare ka kuwa saboda sai a travel le portable za ka iya samun wasu information ko kuma in an ba da wata research hakan ga dangance da karatunka. To gaskiya mutane yanzu ba su iya zama babu wayoyi a hannunsu sabida waya ta zama yanzu kamar moyan eh, modern de la communication kamar abu ne wanda shina taimaka ma mutane eh, ta hanyar eh, sadarwa shine yasa waya yanzu tana da amfani eh, kwarai sufonan ki a ɗauka mutum bai ko yana son wani abu ga wani kaga kai tsaye yana iya gami ko ko shi son shi nemi wani yadda ba haka bai gane shi kuma shi da waya yana iya shi kaga nan ta da amfani ga mutane To, kun dai shi yanda wasu suka ba mu rayukansu akan amfanin salula. Zakari da kai zan fara. kana iya lissaho mini wa'ansu amfani da ke ga salula to ni abin da nake iya cewa kaman a lokacin da muke yanzu komin da a cikin rayuwar mutum yana da alheri kuma yana da sharrin shi E, le téléphone ka fabriquer shi c'est dire que sa part de bien est, eh, là et sa part de mal est là. Et aujourd'hui, matasa suna iya su aiki da talho su fiɗi kuɗi, suna iya su aiki da talho su yi eh, magana da mutanen da ke nisa. Mai yanzu talho ya zama wani iri ne hannun mutane. C'est-à-dire que l'utilisation a, été détournée. Et je pense que inda on a utilisé un tel su san abin da suke yin shi da on a alheri suna sanin kamar ana iya a zama masu kuɗi da dama des da dama ke samun kuɗi da talho mais wasu suna ɗaukan talhon suna ɓadda kuɗin su kenan c'est ça la différence entre la celui qui a la raison et celui qui a perdu le, le discernement et vous, Samna, vous êtes utilisateur de téléphone portable hum, Bien sûr que oui. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques avantages bien sûr que oui, l'utilisation de téléphone portable a des avantages. Et si nous prenons euh, par exemple dans le cadre éducatif et dans le cadre économique et culturel. Donc euh, euh, je peux dire dans tous les aspects, dans tous ces cadres-là, le téléphone portable a des avantages. Aujourd'hui, si nous prenons par exemple du cadre éducatif, donc le téléphone portable nous facilite les recherches et autres. Puisque avant, pour avoir certaines œuvres, il faut vraiment aller à la bibliothèque. Et aujourd'hui, tout en étant dans sa, dans sa chambre, on peut avoir accès à plusieurs documents et à deux œuvres. Donc vraiment, c'est un avantage, un grand avantage dans le cadre éducatif. Et si nous prenons euh, sur le, au niveau de l'économie, donc dans le cadre économique, donc vous allez comprendre qu'aujourd'hui, à travers le téléphone portable, beaucoup de jeunes sont en train de s'enrichir tout en étant à la maison, dans Comme leur la pièce. Bien, dit Zachary. bien sûr que et, oui. Et toi, zaka iya kuma ba mu illolin salula. Ah, wannan akwai su sosai ma. Puisque je vais prendre, je vais prendre l'exemple du cadre des avantages que je viens de donner. Si nous prenons aujourd'hui dans le cadre éducatif, quelqu'un a karatu. Yau et téléphone portable et c'est vrai akwai masu aiki da shi don su ci gaba akwai da yawa kuma yau yana mai da su da baya yana mai su baya sino ina ce ma yawancin duka 'yan karatu yana mai da su baya kenan ka a ganin ka eh, illolin sun yi yawa an tuka suna da yawa sosai mm. tunda nan ga aka samu nan ga aka samu gaskiya illolin sun yi yawa tunda in muka ɗauka kyan turai sowa vraiment su suna ɗaukan shi ne don su ci gaba nan ga kuma gaskiya yana mai da mu baya mm. tunda yau in ana harkar tishe a e auto duka telefon portable yana nan favorizing shi eh, yana nan developing shi mm-hmm. don ka vraiment a illolin harkar karatu wannan ce gai in kuma ka ɗauko harkar kasuwa yau kuna ganin ɗan kasuwa ole ke siya ya yi konsantare sama kasuwancin nashi ga kiliyan nan gaban shi kuna ga yana konsantare sama harkar telefon portable yana waya ko yana can yana wani su vocal da wani su da ba kiliyan shi da gaban shi ha ya baka ka <laughs> kama hanyar eh, tu peux nous citer quelques quelques avantages et aussi quelques inconvénients du téléphone portable d'accord bon moi je disais que les avantages moi personnellement le téléphone a un grand avantage dans, dans ma vie scolaire parce que à l'école je, je suis à l'aéroport maintenant pour avoir quel genre de cours on aura demain c'est par mon téléphone que je peux le savoir. Donc c'est ça, a un grand avantage dans ma vie personnellement. Et les inconvénients, c'est des fois quand je suis en classe, je suis mes cours. Au lieu de suivre mes cours, quand la connexion est dans mon téléphone, j'utilise, au lieu d'écouter le professeur, j'utilise mon téléphone pour faire WhatsApp, pour communiquer avec d'autres personnes qui ne sont pas de la classe. C'est un grand inconvénient et ça contribue au baisse des niveaux qu'on ça c'est de dire. Donc euh, avant de continuer, nous allons écouter la rubrique de Dondi. L'artiste s'exprime. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, aujourd'hui, nous allons donc recevoir un timide. Pas n'importe lequel. Il est timide, mais il fait rire. Mr. Timide, Dandy, la machine te reçoit sur l'émission pour parler de toi. Merci. Merci, pourquoi tu me dis merci Parce que tu m'as reçu déjà. Oui, pourquoi tu parles comme un président Ah, <laughs> J'avais pas remarqué cela. Donc, mais tu parles euh, au calme, euh, c'est comme si tu veux impressionner qu'il pas ta go Je parle pas français, non, moi aussi. <laughs> ok, ok. Parlons de timide. Parlons de toi à l'état civil. Donne la possibilité. Déjà, moi, tu humain <laughs> tu vois Tu humain Je n'aime même pas les flots. Parle-moi de toi. Parle, parle aux jeunes. Je regarde. vais pas trouver le mot. Non, non, c'est bon, c'est bon. Regarde, regarde la caméra, parle aux jeunes pour que puisse te servir dans 5 minutes. Parle-moi de tout, de tout, de toi. Parle-moi de toi, parle-moi de toi. Euh, à l'état civil, moi, c'est Mohamed Saoudi Zeb Garba. Euh, je suis né le 4 septembre 1996 à Agadez. 10 ans après El Polo Loco. Ouais. 1996. <laughs> Ouais. On va parler un peu de tes débuts quand est-ce que l'humour s'est révélé à toi ah, révélé Oui. quand tu as la, un esprit t'a dit que tu as la possibilité de faire rire les gens. C'était en quelle année parce qu'on sait que tu es né en 96. J'ai commencé d'abord par le théâtre à l'école. Ah, ah mais pourquoi tu n'avais pas dit non, ça en fait, j'avais, j'avais pas dit ça parce que euh, quand je partais là-bas, sincèrement, c'était pour voir une fille. Ah, c'était pour voir une fille. Voilà. Et maintenant, elle maintenant Elle s'est mariée. <laughs> tu as fait du cash à moi. Alors, cette carrière, euh, tu penses que ça va euh, continuer Bon, en tout cas, euh, selon moi, je suis même le mieux placé pour continuer. Je n'ai pas fait deux ans pour rien. Deux ans et puis laisser. Ça, jamais. Et depuis, je suis fixé des objectifs je suis en train euh, petit à petit de me donner les moyens là pour les atteindre. Ok. Donc euh, on commence pas quelque chose comme ça et puis arrêter d'un coup. La fin. Voilà. Il a compris le mec. La vie c'est un combat, on l'a toujours dit. Et les gagnants, c'est pas ceux qui ne sont jamais tombés, c'est ceux qui ont se surlevé après la chute. On tombe, on se relève jusqu'à destination. L'artiste, le timide, s'exprime sur tout ça la Hey. Hey. Alors, euh, je tiens d'abord euh, à vous remercier euh, parce que, comme je le disais, il n'y a pas beaucoup de canaux qui nous permettent de, s'exprimer. Mhm. Voilà, et je tiens vraiment à vous remercier une fois de plus. On est ensemble. Voilà, si on peut le dire vraiment, l'humour, le stand-up est en marche. Et le meilleur reste à venir. S'il y a des gens qui sont vraiment intéressés, le Harka Comedy Club est toujours ouvert à tout le monde. Et là où encore Haraka Comedy Club se démarque des autres, c'est que euh, de temps en temps, il y a des formations, on euh, va chercher des formateurs pour nous parce que euh, quand on dit un métier, il ne suffit pas de faire avec seulement les moyens qu'on a, il faut aller aussi chercher ailleurs, confronter notre vision et celle de l'extérieur. Merci. Osez chercher, vous trouverez. C'était donc le timide. Mesdames et messieurs, sur l'émission de à la Fada. C'était l'artiste s'exprime. Donc, chers auditeurs, nous revenons dans notre fada sur notre sujet du jour, l'addiction au téléphone portable. Nous allons continuer avec nos invités. Nous sommes avec Zachary Gibo, nous sommes avec Omar Samna et avec Ramatoulaye Alassane. Donc, on va continuer avec cette question. Ramatou, je vais continuer avec toi. Pourquoi, à ton avis, les gens s'attachent au téléphone portable Quelles sont les raisons Bon, moi, je disais que ce qui pousse les gens à être plus addicts au téléphone portable, c'est l'avènement de, de, l'Internet. Parce que lorsque nos parents ont les téléphones, les Motorola, moi personnellement, mon père, il n'est pas trop addict à son téléphone lorsqu'il a Motorola. Mais maintenant, avec l'avènement de la connexion Internet, quand tu viens, tu lui parles même il écoute, mais il n'écoute pas sincèrement. C'est après, il va te dire qu'est-ce que tu, tu, as dit. Et je dois dire que c'est l'avènement de, de l'Internet qui rend les gens plus addicts à leur téléphone. Ce qui fait que c'est vraiment pas, ça construit pas une une nation. Et Zakari, pour votre avis, qu'est-ce qui pousse les gens à être addicts au téléphone portable et les jeunes surtout euh, À mon avis, je pense que, comme euh, ma prédécesseur a dit, c'est l'avènement de l'Internet. Parce qu'au moment où il n'y avait pas d'Internet, en réalité, les gens n'étaient pas très proches de, de, leur téléphone. Yanzu, ce qui a, amplifié ça, c'est la façon dont on l'utilise. Comment, l'occasion de WhatsApp coco, TikTok coco, sous Snapchat de que zaka c'est-à-dire qu'ils ont montré aux gens comment il fallait l'utiliser et pas comment les gens voudraient l'utiliser. Donc ça fait que Moutané, ils ont voulu maintenant paraître. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé ces choses-là pour pouvoir s'inventer des vies. Kenan Yanzu, kada yakagani y a mutum yana nan cikin rayuwar shi kullum yana nan cikin daki yake mun rauda so guda haka shi gan ya dauki video kamar in ya gwada mutane kamar shi rauda yake kenan wanda ya gan zai gani et comme euh, mon compagnon à côté me disait en occident ni na da na c'est-à-dire que quelqu'un il peut être loin de son téléphone et regarder ça que deux trois fois dans la journée. Mais on constate que les gens qui sont souvent euh, d'une sous-classe ou bien qui sont dans les cités sont ceux qui utilisent le, plus le téléphone pour paraître. Donc ils ont besoin de se convaincre qu'ils ont une meilleure vie. Et je pense que mutane sous, utiliser un tel de c'est-à-dire que ce qu'ils veulent utiliser dans le téléphone, c'est pour ça qu'ils doivent l'utiliser et pas plus. Sinon, ça va devenir, comme je le dis tout le temps, une arme contre vous, alors que vous pouvez l'utiliser pour être une arme avec vous. Et vous, Samna, à votre avis, quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à être accro au téléphone portable En tout cas, comme euh, les autres ont eu à l'aider, c'est surtout avec euh, l'événement de, de la connexion. Puisque aujourd'hui, avec la connexion, donc les jeunes ont beaucoup d'accès en fait et sur, comment on appelle ça, sur l'internet et être en contact avec plusieurs personnes. Puisque aujourd'hui, si vous prenez euh, par exemple, par exemple avec la connexion, euh, aujourd'hui vous pouvez échanger avec quelqu'un qui est loin de vous, un ami qui n'est pas à côté de vous. À part ça, c'est ce qui pousse toujours les élèves, euh, comment on appelle ça, les jeunes, n'est-ce pas Donc à, cette, à ces téléphones portables, c'est comme Zachary a eu à le dire. Donc euh, vous voyez, il y a des jeunes qui veulent exposer une vie qui n'est pas la leur. Il y a beaucoup d'ailleurs. Donc maintenant, il y a même beaucoup. Hein. Ils partent euh, dans, dans les restos ou dans les grands hôtels juste pour prendre des photos et vidéos et aller poster. Donc vous voyez. Donc c'est surtout les réseaux sociaux, vous, à votre avis. Voilà. D'accord. Et on continue avec cette question. Est-ce que euh, l'addiction peut se traiter, Est-ce que l'addiction là, au téléphone portable, ça se traite Je peux dire et oui, et oui. Parce que moi-même, je suis un, modèle de, de, de l'addiction qui a été traitée. Parce que je prends peut-être depuis 2000, de 2010 à 2015, j'étais quelqu'un qui était beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je postais beaucoup d'images. Et arrivé un moment je me suis posé la question sobre donc j'ai réfléchi et je me suis réellement posé la question ça fait qu'aujourd'hui trouver une image de moi sur Facebook ou sur, les réseaux sociaux en général vous n'allez pas le faire vous n'allez pas le trouver parce que pour moi j'ai pas besoin que quelqu'un sache qui je suis ou où je suis je profite du moment donc le téléphone pour moi reste un outil <laughs> dans dans dans ma cure de désintox <laughs> je suis souvent un peu addict parce que dans cela, je suis obligé de surveiller le travail que je fais, ce que les gens disent, mais ça reste dans le cadre du travail. Et souvent à la maison aussi, ah, tout ça. <laughs> c'est ça aussi. Donc, c'est pour dire que l'effort qu'on fait aujourd'hui, c'est l'effort d'utiliser la chose pour son utilité et ne pas se laisser influencer par comment les gens voudraient nous faire l'utiliser parce que c'est à eux que ça va profiter dans ce cas-là. Pendant qu'on y est, dites-nous comment vous avez procédé pour, pour pouvoir euh, délaisser le téléphone en quelque sorte. C'est beaucoup du psychologique en réalité et il y a de la religion aussi. C'est que yanzu la partie psychologique c'est de mutane kamata sous avant que mutane soussou. quelqu'un peut ne pas s'aimer mais il veut que les gens l'aiment. Donc il est dans cette contradiction psychologique avec lui-même. Et c'est ça qui est le premier problème. La, deuxième chose qu'il faut vouloir peut-être euh, corriger, c'est de créer euh, une, ton intimité et de lui donner de la valeur. ils n'ont plus, plus de valeur, ils n'ont plus donné de valeur à leur intimité. il y a quelqu'un qui disait que l'histoire en créant une maison, c'était de créer l'intimité, de créer Moutané Stamoun yanzu mutane sun buɗe gidansu don kowa ya kalli abin da suke yi kuma cikin addini an san kaman akwai le mauvais oeil mutane da yau da dama suna samun rashin lahiya saboda parce baka san wa ke kallo abin da kake ka so sabon mota ka shiga ka kama volan ka dauki hoto don mutane su kalli abin da kake yi après tu fais un accident ça te surprend et tu, tu cherches la raison alors que c'est l'une des raisons OK Samna à vous euh, est-ce que l'addiction là ça se traite vous selon vous Zakari a dit oui. Et vous, à votre avis Mais <laughs> ah, moi, je dirais oui. C'est juste que je vais dire que ce n'est pas vraiment facile, puisque ni ina cewa gaskiya harka un euh, téléphone portable ana iya rage Tunda harka abin gane kwa. Tunda c'est une question d'objectif objective en fait. Yau in mutum ya ba kan shi objective yake yana son ya shi. Effort dai ne zai yi. effort dai ne kamata a yi sino abin mutum na iya rage shi. Kuma abin de vraiment ya kamata a rage tunda yo. dan ah, adam balle nu shan mun ɗauki telefon portable kamar rabin rayuwarmu kuwa kun gane don shi da ce e gai to na shi kacin ragewa mm. ragewa ba iya bari samsam bon yau wadda kamar na ga shi yanzu nake kamar ya zama kamar rabin rayuwa mm. yau telefon portable abu ne da a kowuya a zamna babu shi balle wanda ya saba aiki da shi vraiment a kowuya <laughs> Oui, je me présente Ma préoccupation première, est de penser qu'en interdisant aux gens de garder téléphone, on va plus avoir des solutions face à ces problèmes que nous constatons. Ou bien il va falloir rééduquer les gens pour comment porter le portable et quels sont les usages, n'est-ce pas, qu'on doit faire des téléphones pour que ça soit utile à la société. Ramantoulay, j'espère que tu as écouté la question. Donc je te laisse répondre en premier. En somme, c'est de savoir comment faire pour éviter l'addiction. D'accord. Moi, j'ai ce qui m'a permis de ne, pas, de ne plus être addict au téléphone portable. D'abord, il y a le côté religieux. Je me suis dit qu'en postant je, prends ce côté-là, le truc de statut. On passe tout notre temps à postuler et voir qui a regardé, combien de nombre de personnes a regardé. Tout ça là, je me suis dit que tout ce qu'on a à, à, mettre sur les statuts, ça sera quelque chose pour ou contre toi le jour de la résurrection. Et après, je me suis posé une question qui m'a vraiment permis de ne plus être addict au téléphone portable. C'est qu'est-ce que j'ai eu depuis que j'ai commencé à être addict au téléphone portable. Parce que euh, j'étais addict au téléphone portable. Si vous avez même la cuisine, Même la cuisine, là, je, mets les, condiments, je laisse, je suis dans ma chambre, je suis connectée, j'ai rien avec les gens qui ne sont pas à côté de moi. Je n'accordais pas de temps à ma famille, ni à mes parents, ni à personne d'autre. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai eu depuis que j'ai commencé à faire ça Ma réponse était non. Et depuis ces jours-là, j'ai cessé d'être addict. Même mon téléphone, je, je, le dépose, je peux faire une semaine sans me connecter. Ça me dit rien. D'accord. Et vous, Akari, quelle, réponse est-ce que vous pouvez donner à notre auditeur euh, Je pense que, comme il l'a dit, on ne peut pas vraiment interdire le téléphone. C'est-à-dire que c'est, l'approche, c'est pas de dire on s'interdit le téléphone, mais c'est de se dire quelle utilité le téléphone peut me donner et de l'utiliser que pour ça et pas plus. Non. da duka in ka yi utilizin talho ka ce maka kanka yanzu talho saboda na siye shi don in kire iyalina ko eh, in samu labari ko in sanarwa mutane ko in san abin da ake yi wasu ko wasu garuruwa non odula da sa duk abin da bai kawo mini wani alheri kenan kan kan ɗauki kuɗi nan tan biɗe makai na sharri don shine matsalar yanzu mutane ba su ɗaukar lokaci su yi tunani su san abin da yake musu alheri ko wanda bai da alheri wajen su mm-hmm. To sai gare ka samna. Kai wace amsa za ka ba ma mai sauraron da ya turo mana tambaya? Kama abin da ya kamata a gwada mutane wannan telefon portable ga unhwanin shi wannan ɗan mutum ya yi babu unhwani ciki yana mai da ma mutum baya rayuwar mutum baya to shi ne kamata a yayin mutane SPK. To kun sai ta fadar ta muna yi ne muna shakatawa yau zan shakata ne da faifan Safiyat mai lagani da ɗan uwa Ampos Musical. avec notre sujet du jour bien sûr l'addiction des jeunes au téléphone portable et on en parle avec nos invités nous sommes avec Zachary Jupo nous sommes avec Omar Samna et Ramatoulaye Alassane on va continuer avec nos questions. Ramatou, c'est avec toi que je vais commencer. Est-ce que, à ton avis, on peut se passer complètement du téléphone portable à cette époque De nos jours, non. On ne peut pas s'en passer du téléphone portable. Parce que, quel que soit le travail qu'on fait, quel que soit ce qu'on fait, on, est obligé d'utiliser les téléphones portables. Parce que des fois, on peut travailler à distance et on a besoin d'informations. On ne peut même pas s'en passer des téléphones portables, sincèrement, de nos jours. Mais est-ce que toi, tu peux t'en passer <laughs> Et si tu as une période au-delà de laquelle tu peux plus t'en passer <laughs> Moi, je ne peux pas m'en passer, mais je peux mesurer mon degré d'utilisation de, la connexion. Mais je ne peux pas m'en passer de mon téléphone parce que tous les livres que j'ai, ça y est, de mon téléphone. Et des fois, mes cours, on me les, les envoie en PDF. Je suis des cours en ligne. Donc, je ne peux pas m'en passer de téléphone portable. D'accord. Et à vous, Zachary, est-ce que vous pouvez vous passer, vous, de votre téléphone portable Et est-ce que vous avez un délai au-delà duquel vous ne pouvez plus vous en passer, quoi

Et vous, Samna, est-ce que vous pouvez vous passer de votre téléphone portable <laughs> En tout cas, je dirais même impossible. C'est vraiment impossible. Hmm. Tun da gaskiya ni na ɗauki kamar exemple. sama na. Ni une école ne. Donc sama harkokin école y a un téléphone portable Et loin de ça, il y a un To, balle harkar y un casse abin Et Il y a saman abin nan. un eh, téléphone portable na un casse un china wa. kenan a kowane lokaci ana iya cira na kwa da bayan cira da yawanci sama rezo ne ake yi su wata ayi mini mai sai saman tiktok ko sama whatsapp don kun gani lokaci zuwa lokaci dole ne ina connecte amma ni abin nake yi malgare tusa kama lokaci ne ke ba ina da yawanci message nake ma responder da dare ne ina bari ne sai na ida harkokina da dare in zo in tun da gaskiya in ce in zo in yi mu kowa responder Des fois, je me réveille, je me vois avec 400, 500 messages. Discussion, pardon. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Donc, dan shi ne da yawanci duka da dare nake doka ina abin gansu. Da ini yanzu in na ta ecole ina ina shi da connection ne. Ka bani bani haka connection. In na hito ina diba in gani. Kama cikin masu iya cira na cin haka kasuwanci in su min message ko basu yi ba. In basu yi ba in ni eh, de connecté ko mutane su mutane sun min message bon ina a ne ina bari ne har da dare sai musu donc vraiment ana iya abin ganshi ana iya barin shi ana iya barin shi <laughs> Um, une autre question. Est-ce que vous avez entendu parler peut-être de la science qui s'intéresse au phénomène Oui, il y a eu beaucoup d'études de, de, là-dessus vous pouvez retrouver des articles sur les addictions au smartphone ou aux, nouveaux dispositifs comme TikTok et, Snapchat qui existent. Et moi, ce que je conseillerais aux gens, à quoi documentaire là que derrière l'écran de fumée, ça, montre un peu tous les grands euh, qui ont participé à la création du digital actuellement. Facebook, TikTok, Pinterest et tout cela. Et Yanzu sur l'utilisation. Et se se su utiliser su. Yansu kuma ce da suke babu télé babu téléphone, babu connexion mutum yake da hankali yana san kaman wanda ya abun shi da kashi bai bar iyansu su yi utiliser shi to kai ta taki utilises ça et tu penses que c'est bon pour toi parce que tu vis ça bien. Et ce documentaire, il est tellement intéressant parce qu'il montre comment on devient addict et comment on est manipulé par le l'algorithme qui est soit sur Facebook, TikTok ou tous ces, ces réseaux sociaux. Que non wanda ya dibe shi da hankalin shi yana san kaman telefon ne ya kamata ya utilize shi da ya kamata dai kuma ya a takaita shi insha Allah. To samna gare ka. Eh est-ce ka taɓa jin wani bincike hakan ga da aka yi akan addiction telephone portable? Bon, kama haka dai siyansa ban ce ba na shi, amma in sama haka article akwai mutane da dama da sun kaba da ra'ayi nasu sama haka utilization in telephone portable. Tunda bara akwai wata 'yan makarantarmu da na ankadire sama wani sujet ta aiki sama avantage et inconvénient de réseaux sociaux. Donc sama haka research in nan mun samu mun karanta article da yawa da sun ka bada eh, matsalashi da abin ganshi kuma eh, avantage in shi don ka dukkan wanda ya yi tafe sama avantage a inconvenient da rezo sosio shi da shi yana ganin article da yawa eh, yana karanta abin da mutane da yawa kenan ga tunani saman shi mais euh, physiquement est-ce que le téléphone a des effets secondaires physiquement oui bien sûr que oui il a des effets secondaires Puisque aujourd'hui, quand on utilise les téléphones portables, vous, comment, de temps en temps, sur la, vie, oui, bien sûr que sur la vie. Puisque même si on ne dit pas à la personne, la personne va constater d'elle-même que ces yeux vont des fois sortir de l'âme, vont avoir euh, en tout cas mal des fois. Donc vous voyez, donc même si on ne prévient pas la personne, la personne d'elle-même, elle peut et le constater que vraiment l'utilisation de téléphones portables a des inconvénients d'une façon physique. Sauf si tu as quelque chose à ajouter, là. Oui, euh, ça a des effets secondaires. Moi, par exemple, un jour, j'utilisais mon téléphone et j'étais à 3%. Et jusqu'à je suis arrivé à 2%, j'ai remarqué, donc j'ai mis ça en charge. Et je continue à, l'utiliser, à faire WhatsApp jusqu'à tard de la nuit. Je, je me suis endormi le matin, ça va. Mais vers 8 heures, j'ai senti les. C'est comme s'il y a des radiations dans mon corps. Lorsque j'étais partie au, au, niveau de, de l'hôpital. On m'a dit qu'il faut qu'on me fasse des. C'est un cas urgent, que je dois me traiter urgentement. Et on m'a amené à CHU, qui, à, l'hôpital qui est à Robeda. C'est là-bas, on m'a dit que voilà, il y a, c'est des radiations. J'ai utilisé mon téléphone pendant que le téléphone était en charge. Et sincèrement, depuis ce jour-là, j'ai, je aux gens que même déposer son téléphone tout en étant en charge de, ne pas le faire, sincèrement. Et je conseille aux gens de ne pas le faire aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux effets néfastes physiques sur le... Plus, le plus grand euh, effet néfaste, c'est la, la, perte de la vie. Parce qu'aujourd'hui, on a gagné donc il pense que c'est le plus grand effet néfaste à côté de ça il y a on, on est dans une génération où tout le monde porte des lunettes donc ça veut dire que si tout le monde porte des lunettes c'est que soit la télé et le téléphone sont des problèmes soit on a on a une, génération où on est tous malades des yeux <laughs> donc euh, donc il faut qu'on fasse attention et qu'on utilise les téléphones comme on devrait le faire inchallah <laughs> Et avant de conclure, on va laisser la place à Olivier pour sa chronique du jour. Chers amis de la FADA, nous allons clore notre série de chroniques sur la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2021. Oui, la Cannes 2021 nous a fait rêver à travers les prestations des différentes nations. Et au final, les Lions du Sénégal ont remporté la compétition, une première dans l'histoire du football sénégalais. Mais qu'est-ce que vous avez appris de la Cannes 2021 Pour moi, la Cannes 2021 nous a donné des techniques de réussite au-delà des terrains de foot. Quand nous prenons d'ailleurs la confrontation finale Égypte-Sénégal, par exemple, s'il y a quelque chose qui a frappé les passionnés du foot, c'est bien évidemment la bouteille à Gabaski. Oui, cette fameuse bouteille avec le nom des joueurs sénégalais et leur position de tir favori. On y reviendra là-dessus, ne vous en faites pas. Cette technique nous a appris que le football, c'est désormais beaucoup de préparation. Une préparation technique qui pousse les équipes à aller fouiller dans le passé de leur adversaire. Oui, les pénalties ne sont plus laissés au hasard. Tout était Même si cette technique n'est pas une garantie du succès total, elle montre le niveau de préparation de certains pays et je dirais que c'est quand même intimidant. Une autre technique de réussite que la Cannes 2021 nous a rappelée, c'est le fait de ne pas attendre la dernière heure, dernière minute avant de réagir et surtout ne jamais croire au succès sans effort. Et cette technique, je l'ai bien remarqué lors de la petite finale du tournoi, lors du match Cameroun-Burkina Faso. Le Cameroun, pays organisateur de cette édition de la Cannes, était mené 3 buts à 0 lors de la première période par le Burkina Faso, les étalons à qui je fais un high big up. Au moment où les observateurs et les commentateurs annonçaient une débâcle camerounaise, la deuxième mi-temps, marqué par l'entrée en jeu de Vincent Aboubakar, capitaine des Lions indomptables du Cameroun et meilleur buteur du tournoi, a changé le destin du match. Égalisation, trois buts partout, victoire du Cameroun dans les tirs au but. Les principales raisons de cette victoire au Cameroun sont pour moi la confiance et l'abnégation. Amis auditeurs et auditrices, nous allons terminer cette chronique en disant ceci. En 2022, la victoire du Cameroun face au Burkina Faso nous rappelle que la détermination à faire des choses merveilleuses ne doit pas nous quitter tant qu'on vit. C'est la fin de la chronique de ce soir. On se dit à demain pour parler de la belle performance du gardien égyptien Gabaski. Demain, dans la chronique Inch'Allah, nous parlerons de la bouteille à Gabaski. Mais comme toujours, paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. Merci Oli, Il est très difficile de se passer du téléphone portable à cette époque. Il a des avantages tout comme il a des inconvénients. Sur notre fada aujourd'hui, nous étions avec Zachary Jibbo, Ramatoulaye Alassane et Omar Samna. Merci à tous d'être venus. Merci à vous, chers auditeurs. À demain pour une autre fada avec Mira Rouafi.